le, projet de sécurité alimentaire, nous a appuyé dans la appuyé collaboration pour ñu agents qui former agent yi nekk biir Debrella ak agents yi nekk si biir direction yëpp ministère de l'agriculture et de l'équipement rural sans étendre euh, étendre formation y si un collaborateur élevage et environnement pour que nous ñuy une activité sur le terrain nous devons suivre évaluer qu'ensemble, nous mu une une équipe multisectorielle et comme nous dem vers budget programme agents devons outiller avec avènement Covid 19 nous devons rationaliser li donc Nous devons avoir un budget sincère et réaliste dañu war a aussi être efficient et efficace loolu moo tax ñuy renforcer tey euh, ñuy def formation suivi évaluation bi ak GAR pour agent yi mën see gis seen bopp. waaw am na si ñu bari ñoo xamante ne def nañu formation bi dañuy renforcer seeni capacité parce que la répétition répétition pédagogique répétition dafa pédagogique ñenn ñi dañu leen di former ñu am outil de base yi pour ñu mën a harmoniser bagage agent yi pour ñu mëna suivre ensemble programme yi nga xam mom lañuy dériver parce que dañu am obligation de rendre compte lolu motax tay ñu ñëw fi demander pas à luma kaf euh, euh, ñu appuyer ñu monsieur Kela à côté de moi pour que ñu mëna def formation bobu ñu man ñu ànd seeg ñun aussi di lu ñuy rafetlu di leen remercier au passage et di def benen appel pour projet yëpp pour que ñu mëna ñëw japp si formation yi nga xamantene mo nek ci ministère bi parce que bëgg nañu benen formation ci MS Projet pour li nga xamante kay yu numérique informatique tout ça là ñu mëna continuer di suivre suñu activité euh, le ministre de l'agriculture et l' équipement rural professeur Moussa Baldé bi mu ñëwé la wax né lool nañ ko ci bolé pour am plus de précision loolu motax tax fi mu dañ engagé ministère bi aussi accompagner. mais dañuy jariñ ñuy suivre yi avec plus de précise plus de précision et puis archivage bi aussi day gëna yomb motax ñu dem le numérique sur suñuy activité dans le cadre de la convention que nous avons avec la direction des bassins de rétention elle a jugé utile de renforcer les capacités du dispositif de la direction, mais aussi des autres directions du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. Ce n'est pas seulement la DEBRELA qui participe à cette formation-là, mais toutes les autres directions techniques participent à cette formation. L'idée générale est de pouvoir accompagner le dispositif actuel dans les ministères de l'agriculture et de l'équipement rural, mais également de l'élevage, des productions animales, du ministère de l'Environnement et, euh, et du Développement durable, tous les agents donc, de ces ministères-là sont impliqués dans la formation. L'idée pour nous, donc, c'est de renforcer les capacités de ces personnes, des, agents qui sont impliqués dans la gestion de leurs activités. Euh, euh, dans la région de Kafrine, le Pazalumakaf intervient en zone rurale. L'idée pour nous, c'est de mobiliser les eaux de surface, les eaux de ruissellement à des fins agricoles. Dans ce sens, le PASA a réalisé 22 ouvrages de mobilisation des eaux de ruissellement, deux ouvrages anti-sel, parce que nous luttons également contre l'intrusion saline pour empêcher un peu euh, la propension du sel dans les zones cultivables. Euh, ces ouvrages, là où ils se trouvent aujourd'hui, mobilisent énormément de mètres cubes d'eau euh, qui sont utilisable en toute saison en agriculture. La région de Kafrine est une région arachidière par excellence. Et l'agriculture se mène euh, dans cette région de manière saisonnière. Mais avec l'avènement des projets comme le Pazaloumakaf, nous avons observé que la diversification et la multiplication des campagnes agricoles est une réalité aujourd'hui.